le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous quotidien de Studio Kalangou consacré au forum, un espace d'échange avec des invités dans le respect mutuel. Ce rendez-vous permet d'apporter des réponses à certaines questions d'actualité ou de société que vous vous posez quotidiennement. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question de la pratique de la planification familiale au Niger. Quels sont les enjeux pour la démographie du Niger? Selon l'enquête démographique et de santé du Niger, le taux de prévalence nationale de la contraception moderne est de 14% en 2012. À ce jour, beaucoup d'interrogations se posent autour de la pratique du planning familial et son importance pour le Niger. Pour débattre de la thématique, je suis dans ce studio en compagnie de Dr euh, Halima Diallo, médecin gynécologue à la retraite et première et ancienne directrice du Centre national de la santé de la reproduction à Niamey, et docteur Nouhou Abdelmoumouni, démographe, directeur euh, pays de l'initiative Organiser l'avancement des solutions au Sahel Oasis, et un représentant de l'ONG Marie que nous attendons incessamment à la présentation Rail Tsumana. Messieurs, dames, euh, bonsoir. Le Niger se place à la tête euh, du classement des pays les plus féconds du monde selon INED, l'Institut national d'études démographiques. La même source parle d'une population estimée à plus de 23 millions d'habitants et seulement 12,2% des femmes en âge de procréer utiliseraient une méthode moderne, le planning familial. Chers invités, pour planter le décor de notre euh, émission, dites-nous sommairement les principales missions assignées à vos différentes structures et une présentation de votre personne. Honneur aux dames, docteur Halima. Merci. Je suis vraiment très ravie, en tout cas, d'être invitée au studio de Kalangou que j'écoute tout le temps et que je ne connaissais pas. Beaucoup m'ont connu sous le nom de docteur Garba, après docteur Meidouka. Et comme j'ai eu à le dire aux jeunes, eh bien, c'est comme ça la vie. Maintenant, c'est docteur Halima Diallo je porte le nom de mon père, quoi. Je suis gynécologue euh, obstétricienne à la retraite depuis 1998. J'ai travaillé d'abord à la maternité centrale en tant que médecin gynécologue obstétricienne pendant au moins 10 ans. J'ai fait le pavillon C de l'hôpital pendant 6 ans où on recevait justement les femmes fistuleuses, les complications qui quittaient de la maternité et j'étais à la Poudrière quand, en 83, il y a un décret qui m'est nommé directrice du Centre national de santé familiale, qui était en début de construction. 87, j'ai aussitôt été nommée directrice de la planification familiale au Niger au ministère de la Santé et des Affaires sociales. Et j'ai travaillé là-bas jusqu'à ma nomination au niveau du projet Population en 1990. Le projet Population était un projet financé donc, euh, par la Banque mondiale. Mhm. Donc c'est un projet vraiment et, qui commençait déjà à parler de la décentralisation au niveau de la santé, c'est-à-dire la construction des centres de santé intégrés. Hein, cette politique a démarré justement avec euh, le projet Population et qui a continué maintenant comme programme d'ailleurs du ministère de la Santé. Bon, ça c'est si vous voulez vraiment... Et Votre eh, parcours. Voilà. voilà. Merci, docteur. Euh, à vous, docteur Nouhou, une brève présentation de votre structure. Euh, merci beaucoup, Rahila. Euh, bonjour, docteur Alima. bonjour à nos auditeurs et auditrices. Je me nomme Nouhou Abdelmoumouni, docteur et sciences de la société, mention démographie de mhm. l'Université de Genève. Aujourd'hui, je travaille à l'initiative OASIS, que je dirige au niveau national. L'initiative Oasis Organiser l'avancement de solutions au Sahel euh, est un projet de l'Université de Californie à Berkeley que nous avons transformé en une structure euh, euh, pérenne nationale qui travaille aujourd'hui pour soutenir ou accompagner la transition démographique au Niger et d'une manière générale dans l'ensemble du pays du Sahel. Ce que nous faisons principalement, c'est la formation et le leadership, la recherche et l'action, le plaidoyer dans le domaine de l'éducation de la jeune fille et l'autonomisation de la femme, mais aussi dans le domaine de la planification familiale. Merci, docteur Nouhou. Donc, euh, maintenant que le décor est planté, euh, nous allons rentrer dans le sujet euh, proprement dit. Docteur Halima, qu'est-ce que le planning familial, appelé aussi planification familiale en français À quoi consiste-t-elle La planification familiale, d'abord, est un élément des soins de santé primaire, puisque ce mot de planification familiale a été quand même eh, introduit eh, à Almata en 1978 au Niger. La planification familiale, on pensait que c'est quelque chose qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Non. Déjà, il y avait quand même eh, le premier centre de protection maternelle et infantile à la place de la République, la Première République. Actuellement, oui on, avait nos anciens qui étaient des assistants sociales, qui ont commencé déjà à donner des notions d'espacement des naissances aux femmes. Mais ce n'était pas retenu comme une politique nationale. Maintenant, la planification familiale a été retenue comme politique en 1987. C'est-à-dire, c'est après le Centre national de santé familiale. En gros, à quoi consiste le planning familial Le planning familial, c'est de permettre aux femmes, quand elles accouchent, de pouvoir espacer leur naissance pendant deux ans, maximum trois ans. Pourquoi on a mis trois ans Parce que les deux ans-là, souvent les choses se passent bien. C'est au moment du sevrage que les complications commencent chez l'enfant d'abord et souvent l'enfant finit par périr. Et en ce temps, on a dit, bon, de permettre non seulement à la mère de pouvoir se reposer, à l'été mais l'allaitement n'empêche pas. Il y a des femmes qui, aussitôt elles accouchent, trois semaines après, elles tombent enceintes. Vous savez, la physiologie de chaque individu est différente. Et on a remarqué, celles qui arrivaient à espacer jusqu'à trois ans, en général, l'enfant, l'autre enfant est déjà grand. Les vaccinations ont été faites, etc., etc. La mère s'est reposée et elle arrive à reprendre maintenant sa grossesse normale dès qu'elle cesse euh, une contraception. Le mhm. deuxième objectif de la planification familiale, c'est la lutte contre la stérilité du couple. Et ça, on ne le dit jamais. Comment ça fonctionne dans ces cas Autant on dit ici, elle était espacée, ici, on cherche à avoir même l'enfant. La lutte contre la stérilité. Merci, docteur euh, Halima. Docteur Nouhou, vous êtes démographe. Selon vous, pourquoi les Nigériens font autant d'enfants Parce qu'on dit qu'on est les premiers de la classe. Ah oui. C'est <laughs> <laughs> déjà bien, il y a un aspect sur lequel nous sommes premiers. J'ai dernièrement beaucoup travaillé avec le professeur Malcolm Post de l'Université de Californie à Berkeley. Et euh, ce qu'il nous dit en général, il dit la planification familiale, c'est écouter l'autre et permettre aux individus de réaliser leurs euh, aspirations familiales légitimes. Mhm. Donc, euh, à part l'aspect médical et santé, il y a aussi l'aspect politique euh, familial, politique sociale d'une manière générale. Mhm. Donc pour nous, la planification familiale pourrait se définir par son, son terme le plus, le plus basique, planifier la famille, ce qui revient soit à espacer ou à limiter, mais la notion globalement, elle inclut la notion de parenté responsable. Oui, être responsable de sa progéniture, être sûr que je peux prendre en charge les enfants que je fais venir. Mhm. La question de la santé de la femme est aussi primordiale. On parle de repositionnement de la PF. C'est aujourd'hui vraiment un droit fondamental comme un droit humain. D'accord. Donc, euh, pourquoi les Nigériennes font beaucoup d'enfants C'est une question euh, difficile à répondre. Au niveau du monde académique, on avance plusieurs hypothèses. Certains parlent de raisons socio-culturelles, d'autres aussi parlent de raisons économiques. Mais toujours est-il dit que c'est fondamentalement un produit localisé de la société dans laquelle nous vivons historiquement, on pouvait comprendre qu'en milieu rural, quand il y avait des, terres disponibles, avoir une descendance nombreuse permettrait d'exploiter beaucoup plus de terres et de, s'en sortir mieux. Et historiquement, on pouvait constater que les familles nombreuses qui ont accès à beaucoup de terres euh, quand même génèrent beaucoup plus de ressources et on peut dire s'en sortir mieux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Avant aussi, les enfants décédaient beaucoup on peut avoir huit enfants, peut-être que quatre vont survivre. Mais mhm. aujourd'hui, avec les progrès de la science, on est arrivé à éradiquer beaucoup de maladies avec la vaccination et tout. Les données des séries des EDS depuis 1992 mhm. jusqu'à la dernière enquête euh, qui date de 2012 montrent que la mortalité des enfants a baissé. Mais en conséquence, les gens n'ont pas pu adapter leur comportement reproductif pour diminuer le nombre des enfants qu'ils mettent au monde. La question qui se pose, est-ce qu'il arrivera un moment, plus tôt ou plus tard, que les gens vont se rendre compte que la mortalité des enfants a baissé et que les terres cultivables sont réduites et que peut-être que ce sera l'occasion de commencer à adapter nos aspirations, nos besoins réels mhm. à la réalité qui est en face de nous. C'est ça. D'accord. Merci, docteur euh, Nouhou. Docteur Halima, je me retourne vers vous. À ce jour, euh, quels sont les différents moyens de contraception utilisés ici au Niger Concernant les méthodes de planification familiale, bon, il y a les méthodes modernes que vous savez, il y a les méthodes traditionnelles. Mhm. Dans la tradition, la femme euh, doit allaiter son enfant pendant, surtout au niveau de la religion, pendant 24 mois. Est-ce que c'est vrai qu'en allaitant l'enfant, la femme ne tombe pas enceinte Bon, j'arrive. Je, vous dis, il y a des femmes qui allaitent et au bout de huit mois ou choses, elles, tombent enceintes. Pourtant, elles allaitent. Hein? Ça, c'est vraiment le système hormonal mhm. euh, de, chaque femme. Et il y a aussi, dans notre tradition, l'espacement des naissances a existé parce que, normalement, si tu accouches, hein, dans certaines contrées de chez nous, tu ne dois pas aller avec ton mari jusqu'à ce que ton enfant grandisse. Hein? Il court, il fasse tout. Il va s'amuser et tout, venir. Et c'est en ce temps que tu dois être en contact avec ton mari. Si je prends un seul exemple, la région que je connais de Difa, on nous a amené quelque part à Fachi, là, on nous dit, regardez, ces enfants-là, ces enfants, oh, j'ai vu, je regarde les enfants, au fond, je n'ai pas vu d'enfants où il y a des rapprochements de naissance. Mhm. Ils nous disent non, nous dès qu'on accouche, tant que notre enfant ne marche pas, il ne vient pas lui-même prendre le sein et puis s'amuser et tout, le mari est secondaire. Donc vous voyez qu'il y avait quand même hein, des, des, méthodes hein, d'espacement traditionnel qui se mhm. faisaient en séparant les époux. Maintenant, est-ce qu'on peut séparer Vous voyez, donc les mentalités ont changé. Et donc on a quand même les méthodes euh, modernes qui sont quand même des méthodes qui ont été étudiées. Au Niger, parmi ces méthodes-là, ce qui a été plus accepté aux femmes, parce que nous avons fait des études au niveau du centre de santé familiale, c'était la pilule contraceptive. Mais en dehors de la pilule, vous avez le C'est un petit instrument qu'on place euh, au niveau de l'utérus qui empêchait quand même la rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule. Mhm. On a aussi des méthodes à action retard, c'est-à-dire vraiment c'est toujours les hormones qu'on hein, met sous l'épaule des femmes, ou bien ça dépend de où la femme veut, mhm. et hein, qui a une durée à peu près aussi de 5 ans. C'est euh, Voilà, il y a des patchs, il y a aussi des, choses là qu'on met et qu'on coud. Des implants. Ou des implants, voilà. Et jusqu'au jour où la femme, si elle veut 5 ans, si elle veut avant, elle l'enlève. La seule chose que les femmes n'ont pas acceptée mhm. ici, c'est les injections. Donc, euh, les actions retard. On peut faire une injection tous les trois mois. Et après trois mois, la femme vient et refait son nez. Là, les femmes nigériennes, en tout cas, n'ont pas elles n'ont pas accepté ça. L'étude a montré. Oui, elles n'ont pas opté pour ça parce qu'il y, a des, complications. Oui, il y a des femmes qui continuent à saigner parce que c'est des progestatifs. Elles saignent plus qu'il n'en faut, mhm. vous voyez, ou bien elles saignent à tort et à travers. Elles ne savent plus quand est-ce que ce sont les règles ou bien c'est des saignements qui viennent. Mais sinon, les autres méthodes ont été. D'accord. Voilà. Ok, merci docteur. Docteur Nuhu, à vous, euh, d'aucuns disent que le planning familial est synonyme de limitation de, naissance. Euh, c'est ce qui retient beaucoup de pratiquer euh, ce planning familial. Sinon, quelle est la différence entre les deux Merci beaucoup, Rahila. Je pense qu'il y a eu euh, beaucoup de confusion, notamment au niveau de l'introduction du concept de planification au Niger. Il y avait des erreurs stratégiques qui ont été commises et ça continue toujours et c'est difficile réellement de, rattraper. Mhm. Quand on parle de planification familiale, beaucoup de gens ont, pris le concept comme un concept importé. Et donc, du coup, ce que les gens entendent, c'est qu'on leur demande de diminuer leur naissance. Ils occultent tout ce qui est a comme avantage en termes euh, de santé pour la femme d'abord, mhm. mais aussi en termes de santé pour les enfants de la femme. Donc la planification familiale pourrait se traduire aussi comme la planification de la famille comment planifier, quand avoir des enfants, combien des enfants avoir, comment les éduquer, comment les habiller, comment les nourrir. Mhm. Donc, c'est un concept plutôt global qu'il faut prendre sur l'aspect des bien-être de la famille alors que la limitation consiste tout simplement à un moment donné à stopper et à ne plus avoir d'enfants. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer à suivre la tendance globale parce que ma voisine a tant d'enfants ou bien parce que général les gens exactement la coépouse. il y a une mauvaise compréhension du concept. Il y a une mauvaise compréhension et je pense que le travail aussi devrait commencer par par ce point. Mhm. La question de de la capacité des individus à se donner un idéal a été zappée. On a on est parti plus rapidement sur mettre l'accent sur les produits contraceptifs sans réellement s'intéresser à la capacité des gens à se donner des idéaux mhm. et pour leur dire que voici les produits qui vont vous permettre d'atteindre ces, ces idéaux. Une fois que les gens auront des idéaux, définiront ce qu'ils veulent en termes de fécondité, alors les produits contraceptifs et tout ce que nous pouvons proposer devient comme une solution vers laquelle ils vont naturellement courir. Mhm. Et je pense qu'il y a ce travail de base à faire et il y a des efforts qui se font sur le plan de la sensibilisation, la communication, comment amener les, leaders d'opinion à faire comprendre aux gens, à adhérer plus les mhm. populations. Je pense qu'il y a ces efforts qui sont en cours et qui doivent peut-être être intensifiées. Merci, docteur Nuhu. Il y a la représentante de l'ONG Stop, qui vient de nous rejoindre. Veuillez, madame, vous présenter et présenter votre structure. Euh. Bonjour, madame. <laughs> Bonjour. Merci d'avoir permis à Stop d'être dans ce studio ce jour. Je m'appelle euh, madame Edwige Ounon. Je suis la directrice marketing et communication de Stop Niger. Stop Niger est une ONG de droit anglais. Elle est présente euh, au Niger depuis 2013. Marie Stop International a été invitée par le gouvernement nigérien pour contribuer à l'atteinte des objectifs du plan de repositionnement de la PF à l'horizon 2013-2021. On entend par PF, planning familial. Oui, bien sûr. Mais effectivement, pour le grand public, c'est le planning familial ou la planification familiale. Mm-hmm. Donc Maristop a débuté ses activités au Niger en juin 2014. Nous avons commencé dans la région de Tilaberi avec deux équipes mobiles équipées de tout le matériel nécessaire pour le service de planning familial qui va à plus de 150 km pour rencontrer qui Des populations qui n'ont pas accès aux services de santé, mhm. des populations qui vivent dans ce qu'on appelle un désert sanitaire. Donc Marie vient en appui au ministère de la Santé publique pour atteindre ces populations-là qui ne peuvent pas venir vers une formation sanitaire parce qu'elles sont trop loin et les services sont gratuits. Puisque au Niger, tous les services de planning familial sont gratuits. Après Tilaberi, ça a été Maradi en 2016. Est-ce qu'il y a des raisons spécifiques qui vous ont poussé à aller vers ces régions Oui, bien sûr. On a choisi Tilaberi parce que Tilaberi fait partie des trois régions prioritaires pour l'État du Niger et pour les bailleurs de fonds dans le domaine de la planification familiale. Donc Maradi, la première région, et après on est allé à Tawa. Donc en fait, c'est les trois régions prioritaires où si vous voulez avoir de l'impact en matière de planning familial, il faut aller à Maradi, à Tilaberi, à Tawa et à Zender mais nous, nous ne sommes pas indères. Mm, Et donc, comment appréciez-vous euh, la stratégie du gouvernement nigérien dans ce domaine-là Étant dans le domaine depuis un certain nombre d'années, je parle sous le contrôle de, le docteur Halima, qui est une ancienne, hein, ah oui, oui. <laughs> que tout le monde connaît. Pour qui connaît l'histoire du planning familial au Niger Elle l'a évoqué ici tout à l'heure. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts ont été faits. Parce qu'il y a 20 ans, on ne pouvait pas parler de planning familial mm. dans un studio comme ça il y avait beaucoup d'obstacles, il y avait beaucoup de tabous, il y avait des risques sur les personnes, les individus qui parlaient de planning familial. Mais il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a eu, bien sûr, le célèbre appel de et du feu président Kounché. Après ça, il y a eu des documents stratégiques qui ont été élaborés. Il y a eu en 2006 la loi SR, la loi de la santé de la reproduction qui régit toutes les activités de planning familial. Après ça, il y a eu des documents de politique qui ont été élaborés et il y a eu quand même un document global euh, au niveau pays qui concerne tous les secteurs stratégiques et qui a pris en compte les questions de santé de la reproduction. Je parle du plan de développement économique et social. Donc mhm. aujourd'hui, euh, au niveau macro, c'est un document très important qui montre vraiment que le planning familial, comme disait tout à l'heure docteur Nourou, n'est pas qu'une affaire des professionnels de la santé, mais ça doit être multisectoriel. Si un pays doit se développer, il y a plusieurs secteurs, mais au, au, centre de tous ces différents secteurs socio-économiques, la planification familiale a une grande place. Donc beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup reste à faire le temps de donner la parole à Dr Halima. Donc, euh, quelle appréciation faites-vous de l'environnement actuel euh, du planning familial Est-ce que la stratégie marche euh, selon vous Bon, vous savez, moi, ça fait un peu longtemps <laughs> que j'ai quitté, mais je suis quand même, oui. étant quand même parmi les premières qui se sont occupées. Vous savez bien que dans le monde aujourd'hui, il y a combien de pays qui ont opté pour la politique des populations. Et les gens confondent justement. Par exemple, moi, je sais que à un moment donné, la Tunisie avait des problèmes et il y avait une politique, effectivement, de population, de réduction du nombre d'enfants et qu'il fallait faire à un moment donné, hein, en tout cas, des stratégies pour pouvoir permettre au pays de se développer. Vous avez eu la Chine, hein, qui a eu à prendre la méthode la plus drastique, mhm. où on dit, si c'est une fille, on doit l'éliminer. Aujourd'hui, la Chine est revenue sur sa décision en encourageant, au contraire, d'avoir plus d'enfants pour répondre aux problèmes économiques qui vont venir, n'est-ce pas La Chine ne peut pas continuer à se développer si il n'y a plus d'enfants qui naissent et il y a le vieillissement de la population. Chez nous, où nous, on ne fait que débiter, dès qu'on entend planning familial, les gens voient l'arrêt mhm. de faire des enfants. Et là, vous avez la religion qui est braqué. Or, nous, au moment où on a commencé la planification familiale, je me rappelle bien, Kounche nous a dit allez-y voir l'association islamique du Niger. Ce qu'ils vont vous dire, vous faites avec ça. Et quand on a été voir l'association islamique, je vous affirme, c'est cette association qui nous a aidés. Parce que déjà, quand on a parlé de la planification familiale au niveau de la, des jeunes, ils ont dit que non, au niveau de la religion, hein, et ils ne peuvent pas donner une réponse parce qu'il n'y a pas de relation hein, sexuelle entre l'homme et la femme ou les jeunes et choses avant le mariage. L'enfant doit être fait au sein du couple. Donc eux, du point de vue religieux, ils ne peuvent pas parler de cette planification familiale ou de la santé sexuelle au niveau des jeunes. Mais l'État a des responsabilités, comme je vous ai dit en ce temps, mm-hmm. les filles commençaient à prendre de la nivaquine, à avorter, à se tuer, à faire. Peut-être qu'avec ces dispositions, les avortements avec les filles euh, ne seraient pas arrivés. Oui, c'est donc Kuncha a pris tout simplement ses responsabilités en disant de prendre des dispositions pour que ses enfants ne tombent pas enceintes mhm. hein, et de les laisser en tout cas tranquilles. Mais ce qu'il y a dans ce monde aujourd'hui, c'est que nous qui commençons à débuter parce qu'il nous faut d'abord la population en bonne santé, n'est-ce pas Les ressources humaines saines et de qualité pour atteindre l'économie. On ne peut pas parler du développement d'un pays. Donc, il y a beaucoup de choses contradictoires et l'État est obligé de fois de prendre des décisions politiques. Mais ces décisions politiques doivent être suivies de sensibilisation. Le docteur Nouhou, euh, elle a parlé de population. Quel lien fait-on entre planning familial et la dividende démographique notamment euh, Merci beaucoup, Rahila. Euh, je pense que la relation entre la planification familiale et la question de la démographie, elle est mécanique. La population du Niger a beaucoup augmenté au cours de ces dernières années. Une politique de population a été mise en place en 1992 qui a été révisée en 2007 L'objectif étant vraiment d'arriver à un rythme de croissance qui doit être soutenable pour l'économie nationale. Et la fécondité, c'est quand même euh, l'un des premiers facteurs d'augmentation de la population. La mhm. population ne peut augmenter que par les naissances et les migrations, notamment les immigrations. Et elle ne peut diminuer que par les décès ou bien la mobilité vers l'extérieur. Et la Mhm. La fécondité au Niger, est restée stable à un niveau élevé au-delà de 7 enfants par femme durant au moins deux décennies, voire trois décennies. Mhm. Edwige a beaucoup euh, cité tout ce qui a été fait dans, le domaine de la planification mhm. familiale, mais d'une manière globale, il reste des, des, choses à faire en termes de coordination. Le nombre d'acteurs qui interviennent dans le domaine aujourd'hui au Niger je ne suis pas sûr s'il y a quelque part où on peut donner exactement le nombre de partenaires PF qui interviennent au Niger. Il n'y en a pas assez selon vous Je pense qu'il y en a beaucoup. Ah. La question, c'est la coordination. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui interviennent, qui font la même chose, qui répètent la même chose, mais un problème de coordination se pose parce que ce sont en général des ONG. Une ONG, c'est une organisation non gouvernementale. Mm-hmm. Ils doivent travailler ensemble. Obligatoirement. Si des acteurs non gouvernementaux devraient intervenir dans l'affaire du gouvernement, ça devrait être sous l'égide du gouvernement qui doit mhm. coordonner l'ensemble des actions. Et je pense qu'il y a encore aujourd'hui des efforts à fournir sur ce plan. Donc, du point de vue vraiment politique global, au niveau de la gestion des effectifs, je pense que pour nous, c'est important de se retrouver et de trouver un moyen de discuter de manière ouverte sur la question de comment on gère les effectifs. Mhm. Bon, il y a eu des avancées parce qu'auparavant, on ne pouvait pas en parler. Aujourd'hui, on en parle. Tant qu'on en parle, je pense qu'on peut saisir l'occasion pour en parler de manière plus concertée et trouver des solutions à l'interne. Donc, les liens avec l'accroissement rapide des besoins sociaux de base, la question de sécurité, la question des migrations, je pense que ce sont des questions qui sont directement liées à la croissance de la population du Niger. Et le taux de croissance de 3,9%, je pense que c'est un des taux d'accroissement de population le plus élevé encore jamais vu dans le monde. encore Donc obligatoirement, pour nous, la recherche de solutions face à la question d'accroissement des effectifs essentiels. Merci beaucoup, docteur Nuhu, euh, Madame Edwige, vous êtes euh, la représentante de l'ONG Marie Pour passer le taux de prévalence de contraception de 2011 qui était de 12%, ils veulent le faire passer à 50% d'ici 2020. Euh, c'est vrai que c'est ambitieux, mais où en est-on relativement à ces chiffres selon vous ouais, eh ben, Merci, madame. C'est vrai, le, lors de l'élaboration du plan de repositionnement de la PF, le Niger et ses partenaires ont été ambitieux. Mhm. Mais les défis étaient énormes. Et aujourd'hui, nous sommes en 2018. En 2019 plutôt, on est loin du compte, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ça ne décolle pas euh, Nous, on a un peu abordé le problème. En fait, le problème est il y a, plusieurs facettes. C'est vrai, il y a le problème de coordination des acteurs. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été quand même faits. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, le ministère arrive à avoir plus ou moins l'alignement. Pourquoi Parce qu'il y a ce qu'on appelle, il y a un organe de coordination qui existe et qui se réunit trimestriellement, le comité technique de la planification familiale, où c'est un cadre qui réunit tous les acteurs du domaine. Il y a des efforts d'alignement qui ont été faits. Quand vous parlez de planning familial, il y a quatre. Il y a l'axe de l'offre, il y l'axe de la demande, il y a l'axe euh, de la coordination, il y a aussi l'axe de l'environnement habilitant qu'on oublie beaucoup. Et l'environnement habilitant, c'est sur ça qu'il faut aussi qu'on travaille. Et l'environnement habilitant fait beaucoup appel à deux aspects principaux. Les leaders religieux qui ont une forte influence dans ce pays et les chefs traditionnels et aussi toutes les politiques. J'en ai cité quelques-unes. Hein. Donc bientôt, au niveau institutionnel aussi, on aura de nouveaux textes qui viendront créer un environnement encore plus favorable. Et des études ont montré que pour qu'un homme accepte que sa femme aille prendre l'exercice de planning familial au Niger, il peut être influencé par un leader religieux. Donc on a intérêt, ah, nous les acteurs du domaine, à travailler avec ces personnes-là. Mhm. Oui, Madame Edwige, on va donner la parole. On va... Euh, oui, voulez... Je voudrais juste, euh, avec la permission du docteur Halima, apporter juste un élément de contribution par rapport à cette question, la planification familiale, ça marche ou ça ne marche pas. Oui. Indépendamment des efforts qui sont fournis que ce soit par le gouvernement, que ce soit par les différents bailleurs, les résultats, ils sont extraordinaires. Mhm, Dans les années 60, le taux d'accroissement de la population nigérienne était de 2,5%. Entre 2001 et 2012, au moment où nous avions élaboré cette politique de la population de 92 et puis révisée en 2007, le taux en a profité pour atteindre 3,3% de 2,5 à 3,3 Le dernier recensement général de la population nous montre que ce taux est passé à 3,9 Donc, malgré ce qu'on est en train de faire, le rythme d'augmentation de la population ne fait qu'avancer. Et quand on se projette dans l'avenir, l'exercice a été fait par Jean-Pierre Guingamp et John May. Ici, j'ai les résultats de leur projection. Mm-hmm. Si on continue à aller à ce rythme, oui, c'est ça la question. Et si, <laughs> ou si nous arrivons à inverser la tendance, ils appellent ça le scénario tendanciel, c'est-à-dire business as usual. Mhm. On fait comme d'habitude. Et puis l'autre scénario, c'est le scénario rupture où on arriverait à mobiliser beaucoup de ressources et d'énergie pour inverser la tendance. Quand même, nous arrivions à faire ça, la population du Niger serait à 60 millions en 2050. 60 millions. Aujourd'hui, la population tournerait 21, 22. Donc, ça veut dire que cet effectif doit être multiplié par 3 d'ici 2050. Nous serons à ce chiffre de 60 millions. Mais si rien n'est fait et que nous continuons à ce rythme, la population sera alors de 90 millions. Quel sera l'impact C'est quoi les conséquences pour notre pays Les conséquences, euh, seront dramatiques. Parce que là, nous sommes dans une situation, déjà, nous avons des difficultés à comment éduquer nos enfants, comment bien les nourrir, comment les habiller et comment les soigner. la question, elle est là. Et les jeunes, comment leur créer de nouveaux emplois À ce rythme, je pense que la, une des, préoccupations, c'est aussi ça. Comment trouver de l'emploi à toute cette population qui est là, mhm. qui est en train d'être mal formée, et qui est exposé dans un environnement où tout, change rapidement. La technologie Changement est climatique et tout. Le changement climatique avance l'insécurité aussi. Nous avons beaucoup d'autres défis. Donc je pense qu'il est obligatoire de se regarder et de se dire la vérité. Parce qu'en général, ce n'est pas la, question. Il y a beaucoup souvent de tapage médiatique. Et si vous regardez cet effort avec la question d'intégration de la PF dans tous les, services de santé et tout, c'est quand même une belle énergie dont en retour, on ne perçoit pas les retombées en termes de changement. Et le problème avec la démographie, c'est que c'est un accroissement géométrique. Mhm. Les ressources peut-être que nous mettons vont aller à un rythme arithmétique selon l'accroissement général des ressources dans l'économie, mais la population, elle, elle augmente parce que chaque fois, vous imaginez la dynamique. Un enfant qui vient, c'est pour engendrer, si on part dans l'optique du Niger, une fille qui vient, c'est pour engendrer huit autres enfants. Et si dans sa descendance, il y a des, filles, c'est pour... Donc vous voyez comment le cycle est, infernal. Je pense que c'est aujourd'hui le moment de vraiment s'asseoir et se dire la vérité et aussi ne pas occulter la qualité des services. Partez dans les services de santé, faites un tour, jouez au client mystère et puis voyez comment vous serez traité dans les centres qui mhm. sont censés attirer les populations les femmes qui ont d'autres activités à faire, qui ont des enfants à surveiller, qui ont un petit commerce à mener, c'est difficile pour elles d'aller dans les centres de santé et être traitées de la manière dont on traite encore aujourd'hui les clientes. on ne parle pas des jeunes. Les jeunes, c'est toute une autre histoire parce qu'un jeune au niveau d'un centre de santé en train de demander un service de planification familiale, je n'imagine pas la position de ces prestataires face à sa demande. Exactement. c'est la question générale, elle est là, de la qualité des services, du professionnalisme avec lequel on essaie d'attirer les gens, même dans les centres urbains. il y a beaucoup de choses à dire. Il y a, beaucoup de choses à dire, mais quand même, le temps est passé. Je vais quand même donner la parole à Dr euh, Halima. Euh, selon vous, quelles sont les actions qui doivent être menées pour que euh, toutes ces choses-là marchent au Niger Bon, <laughs> c'est vrai, c'est un peu difficile, vraiment. Et le Niger avait bien démarré. Quand on me dit aujourd'hui que la prévalence est à 12%, et d'ailleurs, on, fait, on invente ça chaque fois. Moi, j'écoute. On est, on est maintenant à 12%. Hein, je me rappelle encore en 88, déjà, avec l'USAID, nous avons, parce que c'est l'USAID qui aidait. On avait les contraceptifs gratuits, on avait la formation des âges femmes des médecins, de tout ce que vous voulez gratuitement, mhm. qui allait eh, aux États-Unis, partout. Hein pour faire les formations et revenir. Eh bien, en ce temps, on avait fait déjà avec la direction des statistiques, qui est encore quand même là, qui fait un bon travail, que je félicite d'ailleurs, puisque le directeur actuel, <laughs> nous avons travaillé ensemble. Hein, nous avons tout fait ensemble, donc euh, je ne fais que le féliciter et ceux qui travaillent avec lui. Mhm. Bon, et on avait déjà fait une projection. Au moment en 88, euh, le taux de prévalence nationale était à 8%. le taux de prévalence en zone urbaine était entre 20 à 30-40%. Les zones urbaines dont vous avez d'ailleurs énoncé, mhm. hein, telles que au niveau de Niamey, telles que au niveau des Inders, au niveau de, là où la population est évidemment fertile et choses là, on avait des taux de prévalence de 20 à 30% au niveau de ces zones urbaines. Pas les tous, mais au moins là où on a plus de population. Et on avait fait une projection pour dire que la prévalence en ces temps au niveau de la zone rurale est de 0%. Il n'y avait pratiquement rien. Les visites à domicile qu'on avait voulu faire, hein, on avait été en Tunisie, on envoyait des sages-femmes, on envoyait tout et pour avoir l'équipement et essayer d'aller directement en zone rurale pour la sensibilisation, pour aussi les prestations des services. Malheureusement, vous savez, en Afrique, nous sommes là. Sur le plan politique, il y a l'instabilité. Et ça, ça compte beaucoup. Parce que dès qu'il y a instabilité, ce qui a été commencé, au lieu qu'on le continue ou bien qu'on fasse plus, d'abord on laisse tomber, on revient sur euh, d'autres théories et on recommence à zéro. Or, il y a déjà des... Ce centre national de santé familiale, devait être un centre régional de recherche et qui doit travailler en collaboration avec euh, le ministère de la Santé, mais surtout avec l'université. Mm-hmm. Hein? On ne peut pas mettre des femmes sous contraception pendant combien d'années et puis ne pas voir quels sont les problèmes hein, que ces femmes ont rencontrés. Ce centre de santé était prévu pour ça, pour la recherche. Mm-hmm. Hmm? Et dans le domaine de la planification, et qui... Aujourd'hui, il n'y a même pas la santé de la jeune fille qu'on dit, la gynécologie infantile n'existe pas. Du tout, c'est les gynécologues, bon, ils savent, et puis les autres euh, connaissent que bon, l'enfant peut naître avec des malformations. Il n'y en a pas. Ce centre, on devait avoir la gynécologie infantile, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de Mais choses malheureusement, malheureusement, ce centre a été réduit, les a ramenés au centre de de protection de euh, santé maternelle et infantile. Mhm. Or, celles qui étaient là-bas étaient formées c'est-à-dire qu'ils ont déjà un niveau hein, de formateur de ceci et cela. On les a pris un seul jour, on les a ramenés encore dans les centres de PMI. Docteur Halima, je vais devoir vous interrompre. On est déjà au bout de notre forum. c'est pour dire tout simplement qu'il faut la coordination comme la direction des statistiques et ce que notre ma, fille vient de dire, qu'il mhm. faut qu'il y ait une coordination. Merci. Voilà, merci. docteur Halima. Un dernier mot avec vous. Merci. Euh, une minute, vous avez. Bien sûr. Merci, madame, de me donner la parole. Moi, je finirai en disant que il y a beaucoup d'espoir pour le Niger parce que quand on remonte euh, l'histoire du pays, euh, on ne pense pas qu'on serait là. Et de toutes les façons, nous avons intérêt à maîtriser notre fécondité parce que la maîtrise de la fécondité présente beaucoup d'avantages et on les cite toujours, c'est une meilleure santé, une meilleure éducation, euh, une meilleure économie. Donc le Niger a tout intérêt à, à maîtriser sa fécondité, mais il est démographe, il sait l'histoire du planning familial, ça doit être une histoire intégrée multisectoriel, c'est pas seulement le planning familial. Sur le planning familial seul qu'il faut jouer, il faut jouer sur la santé en même temps, sur l'éducation en même temps, sur l'économie en même temps. Mais la planification familiale reste au cœur pour dire que tant qu'on ne va pas maîtriser notre fécondité, tous les efforts que le gouvernement fait tous les indicateurs dépendent du. Exactement, parce que tout sera nul et non avenu. Parce que chaque fois qu'on fera plus d'enfants, les besoins s'accroît. Ils seront plus nombreux et on ne pourra pas. À un, à un moment, c'est des goulots d'étranglement. D'accord. Un dernier mot, une minute, vous avez Merci à tout le monde. Je pense que les discussions ont été très riches. Ce que je retiens de ce que euh, Edwige vient de dire en dernière position, c'est la question de dire aux gens que l'absorption démographique des investissements sociaux existe. Mhm. L'espoir est permis. Notre espoir, c'est justement se tourner vers les jeunes générations qui, peut-être à travers l'éducation, prendront déjà conscience de leur bas âge mhm. et constitueront une génération de rupture et vers un, avenir radieux pour notre cher pays. Merci beaucoup. Merci à vous, chers invités. C'est ici que s'achève euh, le forum sur la pratique de la planification familiale au Niger. Quels sont les enjeux pour la démographie du Niger? Ce qu'il faut retenir de ce forum, c'est que malgré les efforts de l'État du Niger et des partenaires concernant la planification familiale, la population nigérienne ne fait que s'accroître selon un scénario tendanciel avec un rythme d'accroissement de 3,9%. La population du Niger atteindrait 60 millions en 2050, soit trois fois la population actuelle. Des raisons socio-culturelles ou économiques freinent certains foyers à adopter la planification familiale. Cependant, nos invités préconisent que l'accent soit mis sur la sensibilisation en faisant intervenir notamment les leaders traditionnels et religieux pour que les populations aient une meilleure compréhension du concept planning familial. Par ailleurs, au vu du nombre important d'acteurs non gouvernementaux qui œuvrent dans le domaine, une meilleure coordination de leurs activités aurait plus d'impact positif dans le contrôle du taux d'accroissement de la population, concluent nos invités. Pour débattre de la thématique, nous étions avec euh, Dr Halima Diallo, médecin gynécologue à la retraite, ancienne directrice du Centre national de la santé de la reproduction à Niamey, Dr Nuhu Abdelmoumouni, démographe, directeur pays de l'initiative Organiser l'avancement des solutions au Sahel Oasis, et Madame Edwige Hounon, directrice marketing et communication de l'ONG Marie Stops. Merci à vous, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence et à vous, auditeurs, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous des programmes du studio Kalangu demain à partir de 17h sur nos 38 radios partenaires. C'était Rayla Toussoumana à la présentation et Issa Laoli à la technique. Au revoir.